bu euh, dee préparation tabaski bi moom gars yaa si askage yi ak euh, lafa yaay cristal yi brodos euh, jipur yi yi may jaay njëg yomb na te cherul ak bépp client bu fi dugg su fi ñëw incha allah di fi bi nga xam ne méngoo ak li yor am naa gazon original première qualité am naa gazon deuxième choix bi sans dépense bi nga bëgg damay jaay tam ay brodé HKG til perlage et tout d'autre quoi lépp li nga xam ne tissu la rek maa ngi si yëngu gazon bu gën a cher mi ngi jaar douze mille mën na adapté li nga xamante moom mooy concurrence bi ñi di commerçant yi daal di nañu wàññi seen prix tissu. am na ñaari qualité SKG am na boo xamante ne jar euh, huit mille ba am na boo xam ne dix bi am na boo xamante ne euh, deuxième soie bi day jar kaw am na ay til am na ay til yu rafet ci ginnaaw moo fa nekk nii yoo xamante ne mètre bi dina jar euh, yi trois mille francs la comme si jul lañ nekk waaw prix bi dañ ko yi trois mille francs la fa la toll bon boo xoolee bu julli bi passé waaw. daam bi te mu ñëw jënd li nga xamante moom mooy tissu yi jàpp ni prix li nga xamante yooyu lañ jaay tissu yi yomb na. mooy sant yàlla boutique moom macha allah prix abordable na jaay bi yomb na te tissu yi qualité la macha allah amul leneen luñ ciy wax amul wala dara leneen luñ ciy dolli parce que euh, parce que boutique bi yaakaar naa dafa ñëw pour dimbale niw doole ak koo xam ne fu sa poche yem bi dafa ñëw pour dimbale leen sagal leen waaw tissu bi may wut moom naa ko antan na ko te yaakaar naa képp fi dugg itam poosam antan na ko 2000 euh, laa ko jëndee dafa yàlla. jaayum tisi nekk na loo xamante ne moom moo gën a dox jamono gii nii ci marché yi fii ci marché euh, Semor commerçant yi rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay tissu daal dinañ gis seen bopp bu baax a baax si jaayum tisi bi nga xamante ni moom la ñuy def jamono gii. Avec cette ambiance que les commerçants autour du centre commercial Amitamba exercent leur activité de vente de tissus. À quelques jours de la Tabaski, les vendeurs de tissus assurent l'abondance de leurs produits. Sering Salio et Pabi, tous deux commerçants. Nous vendons des tissus pour les préparatifs de la Tabaski. Nous avons proposé à nos clients beaucoup de produits à stage, la faïence. Ce que je vends est abordable peuvent avoir son tissu selon ce qu'il a. Mais nous avons plusieurs qualités de tissu original. Cela dépend de ton choix. Je vends aussi des tissus brodés, à stage, perlage et tout autre tissu. Pour les raisons de la tabaski, les articles sont revus à la baisse pour s'adapter à la concurrence. Il y a différentes qualités de stage. Son prix varie entre 8 000 et 10 000 francs. Le maître et deuxième choix commence à partir de 3000 francs. Le maître, parce que nous sommes en période de fête. Mais après la tabaski, nous allons revenir à nos prix entre 5000 francs et 7000 francs. Le maître. Cette dame venue à cette considère que les prix sont abordables. à la boutique, les prix sont abordables et on y trouve des tissus qualité, la boutique est venue soutenir les pauvres. J'ai trouvé le tissu que je veux et à bon prix, j'ai payé le maître de Lafaya à 2000 euh, La vente de tissus en cette veille de fête est une activité phare et génératrice de revenus dans les marchés locaux. Au marché Seymour de sort les commerçants, particulièrement les vendeurs de tissus, sont toujours visités par les acheteurs.